le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu 8 15 minutes à Niamey et partout au Niger, le forum du studio Kalangou, c'est tout de suite. Euh, tous les jours, du lundi au vendredi, nous débattons de sujets qui vous intéressent. Studio Kalangou, un forum du studio Kalangou, un espace d'échange d'idées. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue au forum du studio Kalangou. Merci de placer votre confiance en nous en préférant les programmes du studio Kalangou. Être avec vous au cœur de vos préoccupations c'est notre objectif. 45 minutes, c'est le temps qui nous est imparti. Restez avec nous. Euh, plus qu'un jour ou deux avant le début du ramadan, les préparatifs vont bon train. Fidèles auditeurs, notre thème de ce soir est ramadan et santé. Durant un mois, les musulmans du Niger et ceux du monde entier vont s'abstenir de manger, de boire, bref, de s'abstenir de bien d'autres habitudes, et ceux de l'aube au coucher du soleil. Le mot ramadan de l'arabe Ramida signifie chaleur intense. Il est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Quatrième plié de l'islam, le ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed paix et salut sur lui et se pratique durant le mois saint, c'est-à-dire au neuvième mois du calendrier lunaire musulman. Ainsi, les musulmans ont le devoir de prier, de réfléchir sur la place de la foi dans leur vie et sur la façon de développer leurs qualités humaines telles que la patience, la douceur, la compassion et l'humilité. Jeûner est donc une obligation pour tout musulman. Ceci dit, il existe des exceptions à la règle. Dès lors, qui doit et peut observer le jeûne comment s'alimenter durant ce mois, quelles sont les conséquences euh, du jeûne sur l'organisme, guérit-il certaines maladies ou provoque-t-il d'autres, euh, comment le jeûneur peut-il éviter certaines maladies ou certains malaises pendant le ramadan, ils sont deux dans ce studio pour nous prodiguer des conseils sur ce sujet. Docteur euh, Mamansani, médecin chef de district Niamey 1 et médecin nutritionniste. Bonsoir, euh, docteur. Bonsoir, euh, Cheikh Baram Aboubakar, président du comité du dialogue interreligieux, Salam Cheikh. Chers invités, chers auditeurs, pour développer cette thématique, nous parlerons dans un premier temps de la préparation spirituelle du musulman qui s'apprête à accueillir le ramadan et prendre des conseils, les conseils de l'expert sur l'organisme de l'homme. La deuxième partie traitera des habitudes alimentaires à avoir ou à éviter. Enfin, l'attitude à tenir à, la survenance de maladies ou autres malaises pendant le jeûne. Chers invités, merci de prendre part à ce forum historique du jeune chèque, euh, que représente le ramadan pour le musulman Alhamdulillah, que la paix et la bénédiction d'Allah s'accomplissent sur son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le ramadan, comme vous l'avez dit, c'est le quatrième pilier de l'islam et il tire son origine ou bien sa justification, si je peux dire, du Saint-Coran, qui nous rappelle euh, que le ramadan, ou si vous voulez le jeûne, déjà, est une action pieuse, euh, une prescription divine euh, qui a commencé, ou bien qui avait commencé bien avant l'islam, donc avec les autres communautés qui ont eu des prophètes. Donc, euh, je parle de, Jésus, de Moïse, d'Abraham, etc., qui ont tous eu dans leur euh, message, euh, pour eux, Dieu a, écrit, a prescrit à leur communauté le jeûne. Donc, c'est ce que le Coran dit. Kutiba alaykum siyamu, kama kutiba min qablikum on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux autres communautés, aux peuples ou aux communautés qui, sont, qui vous ont précédé. Donc euh, c'est déjà quelque chose qui, était là avant l'islam, c'est quelque chose qui, est transversal, qu'on trouve dans toutes les grandes religions du monde. Euh, cela dit, euh, au niveau de l'islam, Dieu a donné une date. Et je, peux dire, euh, Dieu a donné euh, un, temps qui est celui du ramadan, euh, qui tout au plus doit faire 30 jours, sinon 29 jours, suivant la situation lunaire. donc, le messager d'Allah, le prophète, il a gêné euh, plusieurs années avant de mourir, et il a eu pour cela à donner beaucoup de directives sur les différentes conditions qui sont liées euh, au ramadan. Alors, euh, Cheikh Barham, à partir de quand le fidèle commence à se préparer et comment Est-ce que c'est des semaines, des jours avant Oui. déjà, le mois de Shaban, euh, c'est-à-dire le mois lunaire qui précède le mois de Ramadan, vous savez, c'est aussi un mois euh, pieux, ça fait partie des mois pieux, et donc c'est théoriquement c'est le mois de, de, préparation. Donc déjà, ce qu'on appelle Nisr Shaban, c'est-à-dire euh, euh mi-Shaban, le 15e jour, tout le monde sait que les gens gênent. Mais aussi, il est autorisé aussi de faire euh, des, des gènes surérogatoires, c'est-à-dire euh, euh, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très méritoires. Donc tout ça, ça prépare le fidèle, ça le met déjà dans l'ambiance du, gène du, jeûne du mois de Ramadan. Euh, si vous êtes, euh, vous souffrez de quelques maladies, d'ulcères, etc., c'est l'occasion de voir si vous pouvez tenir. Euh, si la chaleur est très intense, c'est le moment, c'est avec ces, ces non obligatoires qu'on conditionne notre organisme et on pour rentrer dans, dans le Ramadan. Ça c'est un premier préparatif. Donc le musulman, objectivement, doit se préparer mentalement euh, pour, prendre ce qu'on appelle l'intention, la niya. Parce qu'en islam, tout acte, toute chose même, à, plus forte raison, les actes religieux sont faits, sont précédés de ce qu'on appelle la niya, c'est-à-dire l'intention. L'intention, c'est quelque chose de très important en religion. C'est pourquoi le prophète euh, il dit niyati euh, » Chaque chose a pour fondation la et l'intention. Donc il faut faire passer de l'intention à tout acte religieux. Donc il, est important que le, le, musulman prenne l'intention, euh, il formule intérieurement l'intention de gêner. Euh, tu peux le faire euh, à deux, trois jours de, ramadan, il n'y a pas de problème, mais il serait mieux si tu renouvelles cette intention-là euh, au, temps précis où on a annoncé euh, l'apparition du croissant lunaire. Qui peut et qui doit jeûner Oui, bien sûr, le jeûne euh, dans la compréhension musulmane est est est un acte destiné aux musulmans. Parce que celui qui, est dans la logique de l'islam, il doit gêner, même si les autres communautés, comme je l'ai dit, ils ont leur façon de gêner. Mais le jeûne, c'est que nous on appelle le jeûne du mois de Ramadan, euh, s'adresse en priorité aux musulmans. Ensuite, il s'adresse aux musulmans euh, majeurs qui, qui est en bonne santé, quand vous dites majeur, au euh, -dire de l'âge Oui, qui a atteint l'âge de la puberté. En islam, c'est ça, euh, l'âge de la puberté qu'on considère comme l'âge de, la maturité. Donc, euh, au musulman, qui est bien portant, et qui, a, qui jouit de toute sa faculté mentale, qui n'est pas sous l'emprise de la drogue, de la, ou bien d'une maladie mentale, ou bien d'une maladie qui cause le syncope et autres. Donc, euh, qui, euh, qui n'est pas euh, malade, donc, et, qui, si vous voulez, qui, peut le supporter même pendant certaines activités de la vie comme le voyage, comme le travail pour les fonctionnaires ou bien pour les agriculteurs. Donc, tous ces gens s'ils peuvent le supporter, c'est autorisé pour eux de le faire. Alors, euh, le musulman qui a pour gagne-pain ses muscles, est-il obligé de jeûner euh, comme, nous autres, par exemple le bûcheron, le porteur euh, de d'eau qu'on appelle garrois, le footballeur professionnel, etc. Oui, le jeûne, c'est une prescription quand même qui s'adresse à tous les musulmans. Euh, qui ont la foi, qui sont bien portants, euh, qui ne sont pas malades, qui, qui ont l'âge, qui ne sont pas sous l'emprise d'une folie, comme j'ai dit. Donc vraiment, euh, le travail, ce n'est pas une exception. cela dit, on peut juger au cas par cas. Si vraiment, réellement, votre métier est susceptible de, de causer une grave maladie pour vous ou de, en tout cas d'avoir une conséquence terrible sur vous, euh, l'islam ne vous fait pas obligation de gêner, l'islam vous donne des, choses, des mesures de remplacement à faire euh, tout en remboursant après. Euh, donc, dans certaines de ces conditions, on peut arrêter, mais quand même, si vraiment on peut le faire, il serait mieux de gêner tout en jouant son football, tout en, en faisant ce métier. Alors, nous allons revenir sur ces mesures d'accompagnement. Nous poursuivons cette émission avec donc, euh, je voulais signaler docteur euh, Mamansani, chef de district Niamey 1. Il est médecin nutritionniste. Docteur, a-t-on besoin de préparer son organisme pour entamer le jeûne Sinon, euh, si oui, comment Merci bien, Diallo. Merci. Nous remercions le studio Kolangou en tout cas pour cette opportunité qu'il nous offre pour édifier la population à la veille du mois béni de Ramadan un mois pratiquement pendant lequel euh, euh le musulman sera appelé à se priver de boire et de manger pendant pratiquement une euh, bonne demi-journée, pratiquement euh, 10 à 12 heures de privation de boire et de manger. Cela n'est pas en tout cas sans conséquence sur euh, la santé de, de, de, de la personne, je dirais, sur le bon fonctionnement de, l'organisme. Vous savez, l'organisme a besoin, n'est-ce pas, d'être ravitaillé en nutriments. Quand je parle de nutriments, il y a le micro et le macronutriments que l'organisme a besoin en permanence, effectivement, pour pouvoir bien fonctionner. Alors, docteur, on va aller doucement au micro. Euh, vous avez parlé de macro et de micro, donc on ne comprend pas bien ces termes. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ces micro Alors, ce que j'ai dit, en fait, c'est de c'est des substances, euh, en fait, nutriments, c'est pratiquement le, le, le, le substance que l'organisme a besoin, n'est-ce pas, pour bien fonctionner. Si je parle de micronutriments, je voulais parler des vitamines, par exemple, de sel minéraux et tout ce qui s'ensuit. Les macronutriments, en réalité, c'est des substances beaucoup plus euh, grandes que l'organisme. Par exemple, quand je prends le sucre, un organisme ne peut pas fonctionner sans sucre. C'est ça, le, ça fait partie des macronutriments. Il y a les lipides hein, euh, qu'on appelle communément les huiles, même s'il y a des mauvaises et des bonnes huiles, mais y a aussi les protéines que nous connaissons tous. Donc c'est cette catégorisation, en tout cas, que euh, l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Alors vous connaissez, quand la personne est en gêne, et surtout, surtout, elle doit se priver de voir. Alors l'eau, l'organisme a besoin effectivement de l'eau parce qu'une grande partie de l'organisme est constituée de l'eau qui se renouvelle de manière permanente. docteur, ça veut dire qu'avant avant le jeûne, eh, est-ce que l'on eh, a besoin d'apprêter de, de son organisme Est-ce qu'il faut euh, préparer son organisme pour accueillir le jeûne non, en termes de préparation, je ne dis pas une préparation spécifique qu'il faut faire. C'est que seulement il faut prendre des précautions, d'assurer son alimentation de manière euh, équilibrée, c'est très important, de manière variée et de manière régulière. C'est euh, c'est surtout ça qu'il va falloir prendre des précautions pour assurer, parce qu'un organisme, le fonctionnement de l'organisme, c'est pratiquement de manière permanente. L'organisme peut-être ne peut pas faire la différence entre la période du jeûne et la période du non-jeûne. C'est effectivement au croyant, à la personne, à l'individu de pouvoir effectivement prendre des dispositions pour pouvoir arranger cela et mener une alimentation optimale j'allais dire, à l'organisme, même si c'est pendant la période de rupture jusqu'à une certaine période, que ce que la personne doit manger au moins répond véritablement aux besoins de l'organisme. Docteur, euh, s'abstenir de manger ou de boire, vous avez parlé de conséquences, conséquences euh, euh, positives ou négatives Bon, en termes de conséquences, euh, je ne sais pas si je peux parler de conséquences positives ou négatives, mais dès que l'organisme n'est pas, entre griffes, ravitaillé par rapport à un certain nombre de besoins, ça pouvait véritablement avoir des conséquences négatives. C'est en ce sens que j'ai dit au moment de la rupture, la personne doit prendre précaution, doit prendre soin, doit prendre toutes les mesures pour pouvoir compenser effectivement ces manques pendant deux heures. Parce que pratiquement, comme vous l'avez dit euh, dans vos mots introductifs, c'est pratiquement de l'aube jusqu'à pratiquement le coucher du soleil que la personne se prive effectivement de voir et de manger. Et imaginez pendant toute cette période, l'organisme évidemment a accumulé entre un certain manque qu'il va falloir compenser. Alors c'est là où la personne, évidemment au moment de la rupture, doit euh, savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour véritablement compenser évidemment ses, besoins ah, à l'organisme. Avant de répondre à cette question, l'âge ou la morphologie euh, euh, sont-ils des facteurs à prendre en compte pour s'engager dans cette épreuve qui, est, qui est le ramadan oui, en termes de l'âge, oui, l'âge surtout, vous savez, c'est ce qui peut peut-être nous amener à parler de la vulnérabilité. En termes de personnes, il y a ceux qui sont beaucoup plus vulnérables. Vous êtes d'accord avec moi, une personne euh, âgée est plus susceptible effectivement euh, de, de, souffrir quand elle est jeune qu'une personne peut-être qui n'est pas âgée. Euh, voilà. Donc les personnes âgées sont euh, habilitées surtout là, c'est surtout la, la, question de la déshydratation. Et vous savez, surtout dans notre contexte, au c'est particulièrement au Niger, et surtout à cette période où véritablement on pouvait parler de canicule parce que des fois on peut être amené à vivre à plus de 40 degrés à l'ombre. Là, vous savez que c'est pas tenable même pour des gens qui sont bien portants, à plus forte raison des personnes qui ont un âge avancé. Donc, pour cela, j'ai dit l'âge compte beaucoup. Mais en termes de morphologie, là, c'est relatif. Mais surtout, surtout l'âge, c'est là où effectivement les personnes âgées doivent prendre des précautions en faisant effectivement ce jeûne, d'éviter surtout, surtout surtout l'exposition à la chaleur, parce qu'en s'exposant à la chaleur, il y aura cette déperdition hydrique. Quand je parle de déperdition hydrique, il faut que la population comprenne que ce n'est pas seulement en, en urinant qu'on perd l'eau, mais aussi en s'exposant évidemment au soleil, à la chaleur et à la transpiration qui permet de perdre à travers la sueur une quantité énorme de l'eau qui va, en tout cas, aura des conséquences par rapport à la conduite. Et euh, les enfants, docteur, et les enfants, à partir de quel âge Bon, les enfants, de toutes les façons, ça, je pense que chaque a déjà répondu. Il dit il faut être majeur. Bon, ben, une personne majeure, on estime qu'elle peut évidemment supporter les conséquences. La science aussi convient. Euh, Convient effectivement à travers Alors, euh, docteur, juste une petite pause euh, pour élancer cette question de, canicule, de chaleur à échec. Baham, nous sommes au Niger, euh, donc euh, euh, il fait très chaud au Niger par rapport donc à cette question de, chaleur tenable, supportable. Est-ce que l'islam a tenu compte de, ces paramètres Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire ah il, fait 40, 45 degrés, moi je peux pas jeûner, docteur eh, Oui. vous savez, du temps du messager d'Allah, le prophète Mohammed lui et ses compagnons, ils ont déjà eu à traverser euh, toutes les périodes possibles avec le mois de Ramadan. Vous savez, c'est un mois qui, qui, recule, si je peux dire, par rapport au mois euh, au calendrier grégorien. Bon, on a l'impression qu'il recule. Donc, ça veut dire que euh, le mois de Ramadan traverse euh, toutes les périodes, le froid comme le chaud, etc. Donc, du temps du message d'Allah, les gens ont eu à traverser tout cela. L'islam, c'est pas une religion de contrainte. si vraiment il y a des, l'islam a défini des cas majeurs de force majeure où on, on peut ne pas gêner à cause de la chaleur c'est par exemple lorsqu'on est dans un on fait face, euh, on est en guerre par exemple, quand on va faire la guerre, euh, livrer bataille, on a vu des cas du temps du messager d'Allah où, lui, il gênait. Alors que ses, ses autres compagnons euh, ne gênaient pas. Mais lorsqu'ils se sont aperçus que le messager d'Allah lui gênait, beaucoup se sont mis à gêner. Mais lorsque le messager d'Allah a su ça, il a cassé son gêne. Il dit il ne faut pas que les gens affrontent euh, l'ennemi en situation de faiblesse. Donc, vous voyez, il a cassé les jeunes. C'est un Donc, euh, il y a aussi le cas de voyage. Cela dit que si vous êtes en situation de, déplacement. de déplacement, surtout si ça fait quelque chose comme euh, une certaine distance quand même, euh, plus de, euh, près de 100 km, donc vous pouvez gêner, surtout si c'est fatigant. de nos jours, les voyages ne sont pas forcément fatigants parce qu'on fait un voyage dans des bus climatisés, etc. Bon, c'est gênant, c'est à la personne de voir quel cas, euh, s'il peut Le message d'Allah, il dit si vous gênez, c'est mieux pour vous, mais ce n'est pas une obligation. Il y a aussi les cas de maladie. Il y a aussi, surtout, euh, si vous craignez que cela ne puisse euh, affecter votre santé. Et, si c'est vraiment avéré. Mais pourquoi Parce que j'ai dit, l'islam est une religion de nos contraintes. Alors, je sais ça peut affecter votre travail. Je peux un exemple peut-être qui n'est pas euh, très intéressant, mais... Euh, j'ai pas a... du travail, j'ai de votre santé. Oui, mais ça, c'est une autre question que nous sommes en train de poser. Des journalistes, par exemple, qui vont chaque fois sur le terrain. On sait souvent qu'il fait très chaud, ils sont avec des caméras, ils peuvent s'arrêter pendant des heures. Et si cette chaleur est, insupportable, pour... est-ce que ces, journalistes... Je donne pas de prétexte, mais je, pose, c'est une vraie question. Est-ce que ces journalistes ont le droit peut-être de, ne pas jeûner ou de rattraper le jeûne ou bien... Euh, Tant que c'est juste la fatigue, ils doivent continuer à gêner. Mais si vraiment il y a des cas où la, des pertes de connaissance, la personne tombe malade, gravement malade, cette personne-là peut ne pas gêner. Euh, mais vraiment, c'est détesté. C'est pas beaucoup souhaité. Euh, c'est pas parce que l'islam donne beaucoup d'occasions de, de, que... Parce le ramadan, c'est une occasion exceptionnelle si vous le ratez, vous ratez beaucoup de choses. Essayez de voir, parce que ce n'est pas une contrainte. Vous pouvez ne pas gêner il n'y a, a, pas de problème. Mais il faut que ce, votre acte soit basé sur la foi. C'est entre toi et Dieu, pas à cause des gens. Là, il n'y a aucun problème. Si vous ne gênez pas, c'est entre toi et Dieu. Mais si vous gênez à cause des gens, ou bien si vous rompez à cause des gens, non. Il ne faut pas faire ça parce que c'est un acte. Dieu dit, à son lit, le, le, le jeûne c'est mon affaire, c'est pour moi on le fait, donc c'est à moi d'en donner une meilleure récompense. Donc c'est entre toi et Dieu. C'est différent des autres, parce que vous pouvez rentrer dans votre chambre boire et sortir en disant, et vous ne le faites pas. Pourquoi Parce que c'est entre toi et Dieu, justement. Donc, essayez de faire en sorte que si vraiment vous ne pouvez pas tenir, puisque il paraît que la, température ne fait qu'augmenter sur la Terre. Peut-être qu'un jour on viendra à 45 degrés, euh, à 50 degrés, je ne sais pas, on ne le souhaite pas. Dans ces cas, euh, ça, devient même une affaire de musulmans. Dans certains pays, on demande aux mouftis de, de, faire le fatwa. C'est quoi les, les Les muftis, ce sont les, grands décideurs euh, en matière de religion qui peuvent vraiment donner des consignes religieuses pour dire aux gens, bon, puisque c'est tel chose qu'on ne connaît pas avant qui, est là, euh, c'est une réalité. Euh, donc voilà le comportement à suivre. Pour l'adapter. Voilà, pour adapter un peu le comportement des gens aux situations. Docteur Mamansani, pour ceux qui sont en bonne santé, y a-t-il une, alimentation, bien sûr, tout à l'heure vous l'avez dit, une alimentation donc adéquate Alors, euh, de, quel type de vitamines Vous avez parlé de vitamines. le jeune homme a plus besoin euh, c'est vrai, c'est lui Ce qu'il faut retenir euh, globalement, c'est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, et variée, et tout ça. Quand je parle d'équilibré et varié, vous savez, l'organisme humain a des besoins qui sont spécifiques. Quand tout à l'heure je parle de macronutriments, je parle de micronutriments. Quand je parle de macronutriments, par exemple, le, le glucide, que nous appelons communément sucre, l'organisme a besoin effectivement en termes d'apport d'une proportion de 50 à 55 de l'apport, n'est-ce pas, que ce soit du sucre. Mais quand je dis sucre, c'est pour ça que je ne voulais pas trop utiliser le terme sucre. Je voudrais utiliser le terme glycide, même si ça peut tromper certains, parce que le sucre, ce n'est pas le genre de sucre que nous consommons, le sucre ajouté. Il y a plusieurs variétés de sucre qu'on peut trouver peut-être dans les fruits, dans les légumes dans le céréal, les amidons que nous consommons, tout ça, ça contient du sucre. Alors ça, c'est ce que j'ai dit, ça doit être jusqu'à une proportion de 50 à 55 Il y a le lipide. Quand je parle de lipides, peut-être il y a ce qu'on appelle les huiles, mais là aussi, il y a des mauvaises comme des bonnes. Là aussi, l'alimentation doit contenir jusqu'à 30 euh, à 35 en tout cas en termes de proportion. Ça vient aussi les protéines, n'est-ce pas, genre viande et tout ce qui s'ensuit, protéines animales ou végétales, qui doit être à une proportion de 10 à 15 Donc c'est ça en réalité que je dis, ça doit être équilibré. Et c'est ça, cet équilibre que la personne doit prendre euh, en compte pour pouvoir effectivement améliorer. Et vous savez bien que euh, en gênant déjà, vous avez perdu énormément d'énergie. Peut-être que vous avez travaillé, vous avez un besoin que, vous n'avez pas compensé, l'organisme a besoin, donc il faut apporter suffisamment, suffisamment de l'énergie à l'organisme. Et la source préférentielle de l'énergie, c'est ce que je dis, c'est les glucides, qui constituent jusqu'à 50 à 55%, voire plus. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous avez gêné, et c'est ce que nous voyons fréquemment chez nous, les gens consomment énormément de sucre, qui après ça pouvait avoir d'autres conséquences. Surtout le sucre euh, qu'on trouve dans le commerce, il ne faut pas abuser faut consommer avec modération. Il y a des choses qui peuvent euh, vous apporter de l'énergie sans que ça n'apporte de mauvais sucre. Je, parle de fruits, il y a suffisamment de fruits sur nos marchés. Alors, quel ça type va de fruits Exemple de fruits car c'est ça, j'ai dit, il y a suffisamment de fruits quand vous partez sur nos marchés. Il y a de la banane, il y a de la mangue, il y a des citrons, il y a des papayes, il y a des pastèques. C'est pas. C'est beaucoup hein, Alors, sur notre docteur, marché. Donc, le miel, est-ce que le, miel est recommandé Le miel, il est surtout il est, recommandé, mais il ne faut pas abuser parce que aussi ça contient effectivement du, du, sucre d'absorption rapide. En réalité, c'est ça qu'il faut éviter. Il y a ce que nous, nous appelons le sucre d'absorption rapide. Ça, c'est tout un peu plus avancer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout, surtout tout ce genre de sucre ajouté qu'il faut éviter. Vous pouvez bien manger. Je suis en train de parler des fruits et des légumes, surtout les fruits. Ça va en même temps vous amener effectivement de l'énergie, n'est-ce pas, sous forme de glycides, mais surtout ça contient beaucoup de vitamines dont on parle. Il y a plusieurs variétés de vitamines qui existent effectivement dans ces fruits et légumes. Et en même temps, c'est ça, effectivement, quand on parle de fruits, euh, de vitamines, c'est ça les micronutriments de l'organisme a besoin. Et ça, c'est un nombre, c'est il a besoin de beaucoup de fruits et de légumes. Quand je parle de légumes, il faut le consommer énormément. Ces fruits et légumes aussi, ça apporte ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Et ça, ça va faciliter la digestion. Vous savez, toujours, les gens ont ce problème de digestion après la rupture, mais en consommant suffisamment de fruits, on a, euh, Dieu nous a doté des fruits euh, sauvages, des légumes en pagaille quand vous partez dans nos marchés, il y en a, mais les gens ne privilégient pas ça, en tout cas dans leur consommation, surtout en période. Je prends par exemple le moringa, je prends par exemple le chou qu'on en trouve partout. C'est des choses qu'il faut manger et qui ça va beaucoup faciliter la digestion, ça va vous apporter ce qu'on appelle les oligo-éléments, les vitamines et ça va beaucoup contribuer effectivement au bon fonctionnement de l'organisme après cette euh, abstinence de plusieurs heures euh, de manger et de boire. Euh, docteur Mamansani, le pastèque qui coûte moins cher. J'ai l'impression que c'est des fruits que c'est un fruit que les gens négligent. 100 francs, 50 francs. Est-ce qu'on peut dire que mais je constate aussi qu'il y a beaucoup d'eau dans le pastèque. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des meilleurs fruits? dont nous disposons ici au Niger. En tout cas, le pastèque, effectivement, c'est l'un des, meilleurs fruits, ça je peux l'affirmer, parce qu'effectivement, en dehors de l'apport en vitamine, ça aussi apporte de l'eau. Euh, mais ce qu'il faut, effectivement, c'est surtout, moi, je conseillerais aux gens de varier, de ne pas privilégier un seul fruit, il faut varier. C'est ceci important pour, effectivement, aussi euh, multiplier l'apport euh, en, en, en vitamines, surtout. À la rupture ou à euh, on dit le sahour à, à, 5 heures quand on veut manger, quels sont les aliments, par exemple, qui sont euh, conseillés Par exemple, à la rupture, on sait que le ventre est vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut boire euh, c'est séance tenante avant de manger On peut directement prendre un fruit, le manger. Qu'est-ce qu'il faut faire On peut, en fait, tout dépend de l'habitude. On ne peut pas spécifier, dire voilà obligatoirement ce que la personne doit prendre, mais tout ce qu'il faut, il faut prendre des choses, comme je dis par, exemple, des choses qui peuvent faciliter la digestion. Il n'y a pas meilleure chose qui peut faciliter la digestion comme des aliments qui peuvent vous apporter des fibres alimentaires. Et ça, c'est surtout le légume, les fruits, mais aussi l'eau, parce que la première des choses que la personne doit faire recours à ça, c'est l'eau et ça représente plus de 60% effectivement du besoin de l'organisme. Elle a fait plus de 12 heures, presque 12 heures sans boire. Il faut effectivement apporter, il faut un apport hydrique important. Et cet apport hydrique important, il ne faut pas se gaver parce que c'est à ça nous constatons. Les gens veulent les séances de manière spontanée, compenser effectivement tous les besoins. Ce n'est pas des choses, il faut faire ça de manière progressive, pas de manière, mais surtout, surtout les boissons. J'insiste, éviter les boissons qui, concernent, d'abord qui conserve des conservateurs, des, des, sucres ajoutés, beaucoup de choses qui peuvent peut-être à long terme ou à moyen terme créer d'autres problèmes de santé. L'un des réflexes des gens, c'est aussi de prendre de l'eau glacée directement de bois parce qu'on n'a pas, on a très soif, donc on boit de l'eau glacée euh, euh, très fraîche. Est-ce que c'est conseillé pour un ventre qui restait vide euh, pratiquement? Euh, bon, en termes de, c'est ça, c'est ça, j'ai dit, l'idéal, c'est d'apporter effectivement, c'est, l'apport hydrique, c'est-à-dire apporter de l'eau. Euh, l'eau, l'idéalement, c'est l'eau qui est chaude qui peut apporter, c'est ce qui est idéal. Mais vous savez, dans notre contexte, les gens préfèrent euh, prendre de l'eau glacée. Mais tout ce qu'il faut, il ne faut pas, en tout cas, prendre ça avec exagération. Il faut prendre de manière séquentielle. Cheikh Barham, euh, en islam, est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, conseillés à la rupture euh, et au saour Oui, effectivement, la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam, nous a instruit de casser, comme on dit, euh, familièrement, avec quelque chose comme des dates. Et si on le paie, donc, euh, le prophète Mohammed a pour euh, tradition de, manger mm, trois dates, ou bien, en tout cas, un nombre impair, un nombre pair plutôt, c'est-à-dire trois, cinq, sept, etc ils ne les mangent pas un ou deux ou, quatre. Donc, euh, un nombre impair, c'est ça Un impair, voilà. Il nous a habitués à euh, instruire de, manger les dates, d'ouvrir les casser avec les dates, et puis avec de l'eau. Donc voilà. Euh, de l'eau très fraîche. Bon, comme vous l'avez dit, docteur a déjà parlé, du temps du messager d'Allah, ça n'existe pas. tout ce qu'on conseille aux musulmans, c'est d'être modéré dans chaque action. Dieu dit Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Le musulman ne doit pas exagérer dans son alimentation sous prétexte qu'on a gêné euh, toute une journée. Il ne s'agit pas de chercher à récupérer tout, non. Parce que le ramadan euh, a aussi une logique c'est une façon de, d'habituer son organisme à, cette, euh, à cette action qui, le purifie. Donc euh, si on, prive l'organisme toute la journée et il est bourré encore. Le euh, soir, c'est un problème. C'est un problème. L'islam n'a pas dit ça. Il faut manger de façon très modérée. Et Dieu dit aussi comme il est ne, ne mange pas de choses qui vont finir par vous créer de problèmes. Le docteur a parlé de sucre ajouté. Il n'y a que ça qui, euh, de nos jours, euh, tous ces, toutes ces sucreries qu'on vend sur le marché, il faut que le musulman fasse très attention parce que si tu en abuses, eh, c'est comme si tu mets ta vie en danger et c'est ce que le Coran nous interdit. Eh, certains ulémas ont demandé, Cheikh euh, Barham, euh, d'interdire la vente des repas pendant les, les, journées de jeûne. Que dit l'islam à propos de cela Bon, moi, j'ai dit que l'islam eh, n'a pas dit quelque chose sur ça, sauf que c'est une religion de tolérance. L'islam, c'est une religion je vous ai dit, le, gêne, c'est entre toi et Dieu. Si quelqu'un gêne, c'est-à-dire que celui qui, qui fait autre chose que ce que vous faites, ça ne, ça, ne vous atteint pas. Si vous êtes vraiment des gens pieux, si vous avez votre foi, c'est pas parce que quelqu'un il fait autre chose que ça va vous atteindre. Donc, euh, nous, ici au Niger, on a une tradition, une société de tolérance. On est habitué depuis les ancêtres à voir ceux qui ne gênent pas pour X ou Y raison, euh, pouvoir accéder à leur alimentation, ça ne gêne personne. Moi, je pense que c'est un acte euh, de, tolérance que notre société aura intérêt à garder ces, ces gens qui ont demandé à ce qu'on interdise ça, ils ne se basent sur rien, ils se basent seulement sur le fait que dans certains pays arabes, eh, il est interdit eh, de, de manger dans la rue ou bien de vendre de l'aliment dans la rue. Or, pour quelqu'un qui connaît cette société, c'est que vraiment, il y a le, il y a l'autre face de, de, ces comportements qui en réalité eh, ne reflètent pas la réalité. C'est une loi qui est prise de façon politique, mais qui en réalité cache d'autres comportements, d'autres travers. Parce que dans ces sociétés, les gens mangent très tôt, souvent dans, les foyers. Et puis, c'est parce que c'est des gens qui, souvent, vraiment, quand ils sont dans le mois de Ramadan, moi j'ai vu ça dans beaucoup de pays arabes, euh, quand ils sont en jeûne, ils n'ont pas pris leur thé ou leur café, ils n'ont pas fumé. Donc, ils ont, euh, ils deviennent ce qu'on appelle asabi, c'est-à-dire un peu nerveux. Donc quand ils voient quelqu'un fumer ou manger, il y a même des cas de meurtre collectif. Les gens se mettent à tuer la personne sans savoir pourquoi. Ça n'existe pas chez nous. Quand quelqu'un gêne, ça ne vous touche pas. C'est pas parce qu'ailleurs on le fait. C'est pourquoi les gens ont pris des lois pour interdire ça. C'est pas le cas chez nous. Ça n'a gêné personne. Il y a des gens qui ont de bonnes raisons pour ne pas gêner. Il y a les enfants qui vont à l'école. Il y a euh, beaucoup de choses. Donc vraiment, moi je pense que c'est un acte de tolérance euh, qui n'a rien à voir. Docteur Mamansani, avez-vous affaire à des personnes qui viennent vous voir euh, à l'approche ou même pendant le ramadan dans le but d'obtenir un papier médical en soulevant une maladie ou un prétexte qui les empêcherait de jeûner euh, oui, c'est vrai, euh, en période euh, de, jeûne, effectivement, il y a des malades, surtout des malades chroniques, et certaines maladies comme le l'ulcère gastro-duodénal qui peut peut-être ne pas supporter cette privation de manger pendant une longue période qui nécessitera peut-être la non-observance de jeûne. Mais c'est vrai, nous avons, nous voyons des cas par exemple, quand je prends l'exemple de maladie chronique, un diabétique par exemple, si son diabète n'est pas équilibré, alors on les conseille, on prend toutes les dispositions en, prélude, en fait, avant le jeûne, de pouvoir effectivement équilibrer ces diabète euh, pour pouvoir effectivement assurer le jeunes. C'est par exemple le cas de ceux qui ont l'ulcère gastrodélonal Ça, c'est des gens qui euh, euh, ont du mal à supporter, mais idéalement, ils essayent. S'ils ne pouvaient pas, là, le médecin pouvait parce que juste parce que tout simplement, vous présumez, parce qu'il y a des examens qu'on fait. On fait des examens tant cliniques, mais aussi paracliniques pour pouvoir effectivement savoir évaluer, c'est-à-dire le tas de, santé du malade pour savoir si elle peut tenir ou pas euh, à ces jeunes. Alors, euh, par exemple, pour celui qui souffre de, l'ulcère, euh, pas l'ulcère chronique, si cette personne doit jeûner, est-ce qu'il y a des, médicaments à prendre au sahour et, et, à la rupture Vous savez, en toute maladie, en fait, c'est une adaptation qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous traitement. Mais le fait d'être sous traitement, tu peux ajuster peut-être un produit qu'on t'a dû de prendre matin et soir, tu peux le prendre à la rupture et au secours. Ça ne change rien parce que c'est juste peut-être 12 heures, parce que d'habitude nos médicaments, on dit bon voilà, c'est 12 heures d'intervalle, c'est 8 heures d'intervalle, c'est des ajustements qu'il faut faire. Le fait d'être sous traitement ne pouvait pas dire que voilà, parce que tout simplement tu es sous traitement, tu prends une ou deux fois par jour un médicament, de ne pas gêner. C'est parce que tout, le problème c'est que si tu observes les jeunes, c'est que peut-être ça peut compliquer est ta maladie, c'est ce qui peut faire en sorte qu'on te dit d'arrêter. Parce que même l'islam a prévu, c'est là, si je ne me trompe, je parle sous contrôle du chèque, quelqu'un qui est malade, mais effectivement, c'est quand ce gène va compliquer ça, la maladie, et mettre la vie, effectivement, de ce patient en danger. Mais si c'est juste pour l'observance d'une thérapie, là, je pense qu'on peut effectivement ajuster cette thérapie en fonction du moment où la personne peut manger, c'est-à-dire les nuits, et il peut bien prendre son traitement et faire son gène. Alors, est-ce qu'il y a des maladies incompatibles euh, avec, avec le jeûne euh, Oui, c'est ça, j'ai dit. Euh, il y a certaines choses qui sont incompatibles, surtout chez des personnes qui sont fragiles, des personnes qui sont vulnérables. Quand je prends des personnes âgées qui ne peuvent pas tenir, qui ont des maladies chroniques, et on a essayé, parce que même eux, il faut essayer. Si ça ne tient pas, là, les médecins, effectivement, les, les exemples, effectivement, d'observer ces gènes, Mais... les diabétiques euh, Oui, les diabétiques, c'est ça j'ai parlé. Effectivement, j'ai dit, les diabétiques, le diabète doit être d'abord équilibré. Et c'est des choses qu'on pouvait bien équilibrer. C'est ça, c'est l'hygiène de vie. Les diabètes, il faut retenir que le traitement du diabète, ce n'est pas seulement en réalité prendre des médicaments. Le premier, au premier plan du traitement du diabète, c'est surtout le traitement euh, diététique, comme on dit, l'hygiène de vie. Si vous savez ce que vous mangez, je parle de ça en début. Si vous savez ce que vous mangez, vous observez votre traitement, c'est sur votre diabète, sera équilibré et vous allez bien observer votre jeûne. Le diabète n'a jamais été une contre-indication pour le jeûne. Il semble que euh, le jeûne a des vertus et pourrait être un remède contre certaines maladies. Avez-vous fait ces constats euh, ou est-il démontré scientifiquement, docteur Mamansani scientifiquement, je n'ai pas connaissance. Peut-être religieusement, euh, on en mm. parle. voilà, mais scientifiquement, en tout cas, même si ça a été prouvé à des études qui ont été faites, euh, sincèrement, je n'ai pas connaissance du résultat de ces études sur ça. Cheikh Barham, euh, que dit l'islam par rapport à, donc, à cette question Y aurait-il des maladies guérissables par le jeûne Oui. en tout cas, la tradition pense que euh, le gène euh, est une cure, une façon de purifier le corps euh, de, de, le rendre quand même, de lui donner un peu de, de, force pour se débarrasser de certaines maladies liées à l'alimentation, telles que le poids, tel que euh, vraiment euh, beaucoup de, de, certains sucres, etc., on pense que vraiment en gênant, on peut s'en débarrasser. Euh, mais le gène, c'est surtout quand même une, une défense. Le prophète, il dit Asiyam Junna, c'est-à-dire c'est un, comment on appelle, c'est quelque chose euh, que, vous sert de défense quand vous êtes en, combat. Euh, dans le temps, euh, ce que les gladiateurs portent là pour empêcher l'adversaire de les atteindre. Le bouclier. Le bouclier, voilà, merci. Donc, le, dit que le, gène, c'est un bouclier. Un bouclier contre les maladies et contre les péchés. Alors, plus que 4 minutes avant la fin de cette émission. Quels conseils pratiques Que faut-il éviter absolument Par exemple, à la rupture et euh, au savour. Docteur, si on vous demande de donner des conseils pratiques à un jeune homme qui vient vous voir, que faut-il absolument éviter pendant le ramadan euh, Ce qu'il faut éviter sur le plan nutritionnel, il faut éviter, comme je l'avais dit, de consommer des choses trop sucrées, surtout, surtout le sucre ajouté. Ça, je tiens beaucoup à ça. Il faut éviter de prendre des choses trop salées. Ça aussi, surtout, surtout les épices que nous avons qui sont en train d'envahir nos marchés. Quand vous partez maintenant malheureusement, nos sœurs, nos mamans, nos femmes, dans leur alimentation, il faut qu'ils mettent ces bouillons-là. Et effectivement, ils sont en train, en tout cas, je dirais entre griffes, d'empoisonner de manière lente les gens. Évitez d'utiliser d'excès de sel, surtout sur tous les bouillons que vous connaissez, les épices. Évitez de prendre des choses qui sont trop huileuses, surtout les mauvaises huiles. Malheureusement, sur nos marchés, nous avons beaucoup de mauvaises huiles et dans notre tradition, quand ils préparent quelque chose, une sauce, si elle n'est pas trop huileuse, elle n'est pas bonne. Et c'est ça, en réalité, vous savez, en période de carême, les gens préfèrent ces genre de, repas qui sont trop huileuses, qui sont trop sucrés, qui sont trop salés. Malheureusement, c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, en tête qu'on peut bien manger naturel et rester en bonne santé comme l'a dit Cher, c'est une occasion qu'on peut profiter pour effectivement purifier l'organisme. Alors les gènes en constituent une opportunité pour qu'on purifie l'organisme. On doit pas effectivement aussi s'intoxiquer davantage en prenant, tout ce que j'ai bien décidé. Maintenant, par exemple, tout à l'heure, c'est important, c'est qu'il faut éviter, euh, nous avons parlé de ça, nous sommes en période de chaleur, il faut euh, restreindre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas dire de ne pas sortir, mais il faut restreindre effectivement l'exposition à cette chaleur, parce que vous serez appelé à ne pas effectivement supporter ou supporter difficilement, n'est-ce pas, la conduite de ce jeune. Chaque parent, on termine avec vous en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut Conseil pratique. c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui, qui a, pour une raison ou une autre, a eu à rompre son gène, il doit vraiment, il a deux mesures à prendre. Soit il, gêne, euh, il gêne toujours d'affilée euh, comme remboursement, si c'est intentionnellement qu'il a, il rompre. Vous avez parlé de cas de, journalistes, par exemple, qui vraiment euh, se, sont trouvés dans un cas de force majeure et ont rompu leur gêne. Donc vraiment, la personne doit savoir que si tu, peux rompre, mais tu auras deux mois d'affilée à gêner. Pour un seul jour oui. <laughs> Ou alors euh, de, donner, si vraiment c'est de donner à manger à, à 60 repas aux nécessités. C'est noté, chèque. <laughs> C'est la fin de cette euh, émission. Retenez qu'en islam, euh, tout le monde peut jeûner, l'enfant majeur, l'homme en bonne santé. Cependant, il y a des habitudes alimentaires qu'il faut avoir. Il faut éviter le sucre, l'huile et le sel et manger beaucoup de fruits et de légumes. Euh, c'est la fin de cette émission, je l'ai dit. Émission présentée par Dialou Mariama Kenda, coordination Dialou Boubacar à la partie technique Sénissaka